STM, une nouvelle façon de voyager. bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Cela dit, les musulmans viennent d'entamer la troisième décade du mois béni de Ramadan. Quelle est son importance et surtout, quelle est sa spécificité Réponse avec l'imam de la mosquée Ibn Baz il répond dans cet extrait. La troisième décade, c'est ce qu'on appelle, c'est la crème même de la crème en réalité. La troisième décade, c'est la partie où le Messie sallallahu alayhi wa sallam attachait sa ceinture il réveille la famille entière, sa famille, ses femmes, pour dire réveillez-vous, nous sommes là, il faut se battre au cours de cette période-là, la dernière décade, la période allant du 20 au 29 ou 30e jour du mois de Ramadan. C'est là qu'il y a une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qui, en termes de bienfaisance, en termes d'atout, dépasse largement mille mois. Comme le Coran le dit, Laylatul Qadri khayrun min al shahr la seule nuit de la destinée dépasse de loin 1000 mois. Et 1000 mois, très banalement, ça fait 83 ans et quelques. Donc, il faut se battre pendant la troisième décade, la dernière partie du mois de Ramadan, pour non seulement avoir les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insérés dans cette partie-là. Et il y a un hadith où Aïcha demanda au Messiah sallallahu alayhi wa sallam si Allah fait en sorte que je sois parmi ceux qui vont vivre la nuit de la destinée, qu'est-ce que je dois multiplier Quelle est la formule que je devrais prononcer Il lui a dit de dire Allahumma innaka fa'fu anni. Et on peut aussi euh, utiliser le pluriel Allahumma innaka fa'fu anna. C'est les formules que nous devons multiplier pendant la nuit de la dernière de du mois de Ramadan. Un mois très béni. Et il y a aussi la retraite spirituelle, al-itikaf se retirer vers dans les mosquées pendant 10 jours. On ne sort de la mosquée que le jour de, de la fête Al-Eid. Le Messie sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire itikaf, il prie d'abord, dans certaines versions Maghrib, dans certaines versions, il prie la prière du Fajr et il rentre dans la mosquée pour ne sortir que le jour de la fête. Le matin, le jour où euh, les gens vont faire le Eid, ils vont sortir de, de, la mosquée pour aller célébrer la prière de Eid. Il y a des règles quand on fait itikaf, c'est une retraite spirituelle, ce n'est pas un congé, euh, ce n'est pas non plus une promenade. Il faut se concentrer sur le Coran, les prières, les invocations. Parce que les invocations pendant cette période, elles sont exaucées. Nous avons euh, beaucoup de choses que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement sur terre, et même après notre mort. Nous allons donc profiter de ces moments pour prier pour beaucoup prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos voeux. Le gouvernement du Niger, au vu de la situation, une situation plutôt atténuée, du moins en ce qui concerne la maladie à coronavirus dans notre pays, et eh bien, le gouvernement a décidé de lever le couvre-feu instauré et de rouvrir les lieux de culte, toutes choses que les citoyens apprécient diversement. Suivez plutôt. Alhamdulillah, Allah nous remercions le bon Dieu qui, avec sa permission des autorités, ont réouvert les mosquées. Car la prière fait partie des cinq piliers de l'islam. Alors la vie en tant que citoyen, c'est une bonne chose d'avoir réouvert les mosquées. Cela nous permettra d'avoir la paix et la solution contre cette pandémie. kuma zai kawo mana kwancin hankali zai kawo mana waraka daga wannan cuta da ake tunani mai suna coronavirus. Vraiment c'est une chose qu'ils ont fait. Ce qui concerne la, la levée du couvre-feu et la réouverture de ce qui shi je ne respecte pas les messieurs car personne ne porte de si cette pandémie perdure elle va aggraver la situation du plus en ce qui concerne le je ne trouve pas ça bien. Je vais vous dire qu'il soit prolongé, par exemple, de 23h à 5h du matin. 5h du matin. Ce n'est que partie remise parce que quand on enlève une maladie qui, qui empêche à quelqu'un de de, de, manger, de nuire à sa santé, c'est ça te fait bien parce que Fermer une mosquée pour un musulman, il n'y a, pas un plus grand péché que ça. Parce que le musulman, en tant que musulman, il est lié à sa mosquée. Il est dans sa mosquée. C'est dans sa mosquée qu'il cherche bénédiction auprès du prophète, sallallahu alayhi wa Mais quelle que soit la maladie qu'il y en a, Dieu a dit qu'il y a un remède pour ça. Mais nous, un bon matin, on nous, les mosquées sont fermées, qu'il y a couvre-feu. Alors que couvre-feu, là, nous, on connaît couvre-feu depuis longtemps. Le vrai couvre-feu, c'est manque d'argent. Le citoyen lambda nigérien, s'il a minimum 10 000 francs, il est, bien. Mais regardons notre train de vie, comment on vit. Les barbes sont blanchies, nos femmes sont parties, nos enfants sont partis, on ne sait même pas d'où. Le matin, tu es là, tu te réveilles, tu ne sais pas là où tu vas. Et avec ce couvre-feu là, même, le boulot est ralenti. Les, les, travailleurs ne vont même pas au boulot. Dans d'autres secteurs, tout est fermé on dirait que la maladie a commencé au Niger. Alors que dans d'autres pays que ça a commencé là, les gens vont au travail, mais il y a un minimum de respect. Mais ici là, tout est fermé. La dernière fois, je ne vais pas dire dans quelle institution je suis parti. On me dit que tout est fermé. Personne ne vient au boulot. C'est pas sérieux. Mais vraiment, moi, je suis très content qu'on a levé ce couvre-feu. Actualité dans nos régions, partons à Zender euh, pour parler même pas du coronavirus, mais plutôt du centre régional de transfusion sanguine, un centre qui fait face à une pénurie de sang en cette euh, période de grande chaleur. Le reportage est signé le confrère de la télévision Gaskia. Qui vit là demain dit forcément période de forte chaleur au Niger. Le mois béni de Ramadan coïncide chaque année avec une pénurie du sang dans les stocks du Centre régional de transfusion sanguine CRTS de Zender, centre qui organise chaque année une vaste campagne de collecte de sang avant le mois pour réduire le gaffe, chose qui n'a pas été possible cette année. Nos, nos équipes qui sortent pour faire une collecte dans les villages. Mais cette année, avec la situation de Corona, on n'a pas eu beaucoup de stocks. Ce qui fait que maintenant, si un malade vient, euh, après les, les deux premières semaines, puisqu'on a eu utilisé notre, nos stocks qu'on a eu à, à réserver pendant les deux dernières semaines. Mais après les deux dernières semaines, en tout cas, il y a des problèmes. Avec un stock vide, certains groupes sanguins se font rares. C'est là au grand désarroi des patients. Les prélèvements directs ne sont plus possibles pendant les journées de jeûne, quelle que soit l'urgence, le malade est obligé d'attendre la rupture, nous explique l'intérim du responsable du CRTS des Si un donneur avec qui a un malade, s'il n'est pas capable de donner le sang hein, avec le jeunes, il faut qu'on laisse ça jusqu'à après la routine du jeunes. Ce qui fait que c'est un problème. Si le malade est un cas urgent, il y, a un, y un problème. En cette période de grande canicule, même les demeures habituels hésitent à aller s'acquitter de leurs devoirs, d'où cet appel pressant. Ils n'ont qu'à tout faire pour essayer de nous supporter, de nous aider et eh, eh, aider les malades, puisqu'on est dans une situation catastrophique, puisqu'il n'y a pas de sang. On n'a pas de sang, le sang pour échanger. Le sang, c'est la vie. Qui donne son sang sauve de vie. Nous osons alors espérer une prompte réaction de la part de la population afin de doter ce centre qui n'est que l'ombre de lui-même malgré sa portée régionale. Revenons à Niamey, bien sûr, pour, parler, euh, pour parler d'autres mesures qui sont fortement conseillées, telles que les ports de la bavette, tandis qu'on a assisté ces derniers temps à l'assouplissement de certaines mesures, telles que la levée du couvre-feu. Afin de conseil Ibrahim Kantama pour d'autres précisions. Dans ce contexte tout particulier de crise sanitaire provoquée par le coronavirus sans précédent, le respect des mesures barrières s'avère impératif notamment l'utilisation des masques ou bavettes d'hygiène pour y pallier aux besoins d'insuffisance ou de manque des confectionneurs de bavettes apportent leur contribution nous remercions Dieu à travers notre métier, nous apportons d'une manière ou d'une autre notre contribution de lutte contre le coronavirus. Car ces bavettes que nous concevons ont une certaine garantie de durée de vie et sont aussi lavables que les autorités nous soutiennent pour que nous puissions produire au maximum une quantité suffisante pour la population du Niger, surtout en tenant compte de notre contexte socio-culturel et économique malgré les dispositions prises ça et là cette maladie folle et dévastatrice bouleversant toutes les certitudes n'épargne aucun pays que chaque citoyen prend des décisions responsables qui s'imposent afin de venir à bout de cette pas Au c'est une jeu donc, de précaution d'hygiène. Donc, quand tu utilises un masque, donc, euh, au lieu de le jeter dans une poubelle, donc, peuvent le laisser à l'air libre, à l'air ambiant, à la merci donc des, enfants qui peuvent prendre pour jouer. Or, ça pas que donc sous le masque qu'ils ont déjà euh, euh, utilisé, mais toute la saleté qu'ils ont aspirée de l'environnement le, et masque et toute la saleté aussi qu'ils ont rejetée lors de, de l'aspiration, de la respiration aussi c'est trop déposé sur le masque. Donc finalement, c'est un, une source aussi potentielle de contamination de l'environnement et des personnes, d'autres personnes aussi qui sont en train d'exposer. Donc finalement, c'est comme si nous n'avions rien fait par rapport à la protection donc, de l'hygiène de la, du groupe entier, de la société entière. Donc euh, maintenant, les, vendeurs aussi doivent aussi euh, être aussi vigilants. Pourquoi Parce que ceux qui s'amusent à essayer le masque, en fait, avant de les payer ce n'est pas euh, euh, correct, ce n'est pas normal. Pourquoi Parce que une fois que vous avez déjà essayé le masque, vous allez déposer quelque chose sur le masque qui vient de vous. Donc si c'est ça, ça veut dire que vous allez contaminer l'autre personne aussi qui va venir essayer ou bien payer. Donc euh, c'est tout Donc, donc vraiment, c'est que j'attire l'attention des, des, vendeurs et même de ceux, qui vont payer en fait. Donc à ne pas essayer. Dès que vous essayez, ça devient plus Donc parce que vous avez déjà déposé donc les saletés qui viennent de votre corps donc sur le, sur le masque. Et comme ça, vous allez aussi contaminer l'autre. Si vous n'avez pas pu payer le masque, vous allez contaminer quelqu'un d'autre qui va le payer. Cette bataille contre le coronavirus nécessite des mesures stratégiques pouvant freiner et stopper définitivement la multiplication du nombre d'infectés. En volet reportage, nous allons faire un zoom sur les réparateurs des appareils électroménagers. Un métier, paraît-il, qui nourrit très bien son nom à cette période de chaleur. Prisca Sessou et Barham Kantama pour d'autres précisions. Qui vit là demain, vit forcément période de forte chaleur au Niger. En cette période de coupure intempestive d'électricité, les appareils électroménagers s'endommagent fréquemment. À quoi est dû cela Les appareils électroménagers étant indispensables dans le ménage, il faut donc en prendre soin, nous dit ce réparateur. Dit le frigo ici. Il est livré ici. Capacité à la charge à Il garde plus que ça. Nous voyons mal là. Frigo sont étouffés. Da étouffé. Donc, à 5 marché. Nous avons volume Le nombre de litres au kan fo yaga hinka sambu di bisa lom do litoga amma ina le dan dan le de gumbo vapeur ni aga hinka frigo tufe bora na hanse akonda se tu vois deux jours après coupure te amasintin ka kiksone imane hansa kwa no gonda problem bon des fois hansa kwa gonda problem amana problem ko ngo hansa kwa sai amana expliquer tiyase matkan da matkan da matka ga himakan ga highway tenir cette année c'est vrai il y a la maladie mais bon on se défend quand même mais comme tout le monde a peur de la maladie bon ça va bon, à cause de la maladie tout le monde a peur. ne sont pas l'argent on gagne l'argent euh, ils ont peur, s'ils sortent l'argent maintenant, qu'est-ce qu'ils sera demain, on ne sait pas. On arrange les climatiseurs, les frigos, tout ça qui est froid, qui demande il est froid, ménagé, on arrange. Des fois, ils disent c'est trop, le puits est trop. Comme la famille est fortune, maintenant tout est cher, les matériaux sont chers, on ne comprend pas, on dit bon, je ne comprends pas, bon, on se va avec. Pour les réparateurs des appareils électroménagers, c'est l'occasion de se frotter les mains car ils arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui sévit et qui a créé un frein à l'exercice de leur métier. Alhamdulillah. wama ayo ayi machine à laver Ayo ayi frigo ayi climatiseur a des hane ai man du climatiseur wani wala man du frigo wani a ga bo fomu kan ninga machina lave ai ma hose amma machina lave american kulu da bayan ai ga hose man ci bo bo no ga hose ga muka da ni hose mo problem kan go ara ai ci borase filano ni di wani wani no goro ya da ai ma hose ai priyo ci ni se marje ka to amma kai ba ka ga turkwa ai mu ci ni se dingi ne masamu din sini madiran ninjina masu kaka a gare se no jirgin kai za mu koye ka mane filana a aikan kan do machine to sa ga ifo ne ka na wai ne problem ka problème don kuma cikin ya sai filana dingi hini masamu din sini mu wahalasa Chers utilisateurs des appareils électroménagers, acheter ces appareils à un prix exorbitant est une chose, en prendre soin en est une autre. Alors, prenons soin de nos appareils en respectant les mesures préventives écrites pour les appareils. Oui, Prisca, qui dit chaleur, dit pénurie d'eau. Et puis en cette période, bien sûr, les populations de certains quartiers de la ville de font face à un problème d'accès à l'eau potable. Le constat est signé Fatou Suleiman est toujours avec un Au moment où le Niger fait face à cette pandémie du Covid-19, la population rencontre certaines difficultés liées à l'accès à l'eau potable, notamment dans certains quartiers comme celui de Talagi. Ici, trouver de l'eau pour ses besoins relève d'un parcours de combattante. matsalar ruwa lalle akwai ta amma wannan shaton da an kai ya rage mana matsala saboda da kai akwai matsala kwarai amma yanzu ta yi dama eh, saboda jama'a suna samun abin da sun ka ɗauka. problem do su go avec activité ici à Talagi mais grâce à ce château d'eau il y a du mieux da de da viennent ils ont Chaque matin, à cause de la pénurie d'eau, les femmes se disputent. Oui, il y a 10 châteaux à Kaladi. Mais l'eau de est disponible de 3 heures du matin a sai kawai mm. musu magana isa sarari mm, ina ba magana ko hakuri sannu sannu kowa samu shi sai da a samu in dan shirye shi su ko mu samu da abin yayi dama yanzu ka gani dai sauran kaɗan eh kamar wajen su goma suke eh ji goma na nan cikin tallan shi ruwa ƙarye uku za a samu su ga famfo ƙarye uku ya an same su na gaira cikin gida kaji mu ma cikin gidan mu akwai famfo amma da bakin ƙarye uku ya kawo ruwa ana asalati ya tsaya Alors, il est important de trouver une solution à ce problème. car nous représente la substance fondamentale de l'être humain pour survivre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré e Transport STM, une nouvelle façon de voyager.